et que pour Mohamed Ndiaye qui va frapper bon match parce que en face dañu am une très grande équipe à de Jaraaf. oui une grande équipe attention mal pour l'équipe du Et là, la semence centre arrêté le deuxième poteau. l'avais dit tout à l'heure, Alpha. Je vous l'avais dit, cette équipe de Gérard. Alors Moussa Ndiaye qui euh, regarde le bouffon. La balle qui va tomber au deuxième poteau. La sortie du côté. Le danger. Le danger est toujours là. Contre Ah oui, il faut qu'il soit présent ah, sur le deuxième ballon alpha. Il faut qu'il soit présent et vigilant ah, sur le deuxième ballon, sur le deuxième ballon alpha. Sinon, ah, ça peut faire à mouche pour cette équipe d'Achel Alpha. C'est Abdoulaye euh, Fatih En 1977, à 1978, à 1980, a Attention, Goudabi qui va frapper. Face à ces deux partenaires qui étaient devant, en l'occurrence Malik Agaï et le capitaine, et aussi euh, Nabi Bangour Alpha. Ils étaient présents dans, la, cette surface de réparation. Tu bois direct. Va essayer peut-être de tromper la vision du portier. à Diarab. Alors Koufran entra au deuxième poteau. Jean-Rémi Bocandé euh, qui va centrer la défense d'Agel dans la tête. On est dans un tour là. Cette fois à penalty. Cette fois-ci à penalty. Penalty pour euh, Diarab. Penalty à Knaïdaï. Xam nga Alpha ñu ngi koy wax Légui. moment bi moment de faiblesse la pour équipe bu HL. vous les supporters du Melo daw Melo daw Melo Melo qui touche la barre transversale. Lakra Ndiaye a dit et à cet à l'arbitre siffle la fin de cette première période Lakra Ndiaye. une mauvaise relance récupérée par Moussa Ndiaye Moussa pour euh, Khalil attention ça peut être la balle de 2 à 0 attention euh, Modou Modou la sortie le deuxième but. Oh! À ce moment-là, de même que Mohamed Diallo la latéral gauche, le coup fond d'Audo Kamara, il va essayer de chercher dans la sous d'élévation. La balle qui va tomber, une tête, de évidemment, le deuxième ballon, et oh Quel joueur Alpha Masser Quel entend qui va prendre le zé, il fait une mauvaise passe. Ah, C'était le numéro 5, euh, qui a Attention, Garapa, par Jean-Louis Bocandé. Euh, euh, Franck Lons na qui a amené xam ah, moi? Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye pour qui Ibrahim Souri Ibrahima Moussouri pour qui pour a amené à mooy euh, Assane Mbow. Assane Il y a du chaos dans l'air Alpha. waa Jaraaf Il faut. y a du chaos dans l'air Alpha. mais waa Jaraaf il faut. Il y a du chaos dans l'air Alpha. attention. qui va le jouer un corner sortant deuxième poteau la remise de Babacar la défense de Jaraaf par Boubacar Diop. La qui est sur Babacar. Pour qui Pour uh, Goudabi. Il va changer complètement de côté. Pour uh, Masser. Masser uh, la déviation, mais le danger est toujours là. Et que Yorengay. Yorengay le portier qui va ressortir le ballon. Et que qui a amené à Moïba. Il mérite le refus quoi, Alpha La balle qui va revenir sur euh, le portier d'Agel. À Yorangay. Yorengay. Qui va essayer de faire un long ballon. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est euh, terminé. La euh, victoire euh, du Diarab de Dakar devant Angèle. Le va, va, rejoindre Guédio FC en demi-finale de la Coupe du Sénégal.